Bonjour et présentez-vous euh, Je me nomme euh, Mohamed Sani Abdou, directeur du musée régional de Zender. Monsieur le directeur, vous êtes le responsable et conservateur de tout ce qui est patrimoine physique et culturel de la région de Zender. Donnez-nous l'historique euh, du mur d'enceinte plus connu sous le nom de Garou. Merci bien. Alors, l'histoire du Garou date des années 1852 euh, sous le règne du sultan Tanimoun. C'est lui qui a jugé utile de construire cet édifice assez gigantesque pour sécuriser sa population des agressions extérieures. Parce qu'il y avait des invasions qui se manifestaient à l'époque. Il a imaginé qu'il fallait donc construire ce mur d'enceinte de 9 à 10 mètres de largeur et 10 à 12 mètres de hauteur. Et la communauté en moins de trois mois, hein, ils sont parvenus quand même à faire ce rempart-là. Hein, parce que la dimension de, euh, de, à l'époque, ça faisait dans les 70 000 mètres, euh, euh, hectares. 70 hein. 000 mm. hectares. Donc, vous voyez comment c'est costaud pour construire l'édifice en trois mois à l'époque. Donc, la mobilisation a été effective. Et mine de rien, donc, cet édifice a été bâti. Et il y a des arcades là-dessus. Hein, pour placer les archers. Ah, c'était la sécurité de la communauté. À chaque porte, il y avait sept portes d'entrée. Sept portes d'entrée. En direction de Zango, il y avait la porte de Zambo, la porte de Chantandi, la porte de... Euh, ainsi de suite, il y a sept portes. Hein. Il y a sept portes d'entrée pour euh, Zender, la ville de Bernie. Alors aujourd'hui, on a vu que ce mur d'enceinte, euh, communément appelé Garou, est en voie de disparition, si je peux me permettre du terme. Oui, c'est vraiment dommage. Euh, le Garou, il n'y a que des ruines de Garou, il n'y a plus rien maintenant. le Garou a été rongé par les riverains parce qu'ils creusaient euh, le mur pour euh, remblayer leur maison. C'est dommage, il n'y a plus de garou maintenant. Le restant donc, risque de tomber, ça va s'effondrer euh, sous les fortes précipitations et avec le vent. En tout cas, et l'érosion aussi, vous voyez, le garou euh, n'existe que de ruines. Il n'y a que des ruines présentement. Il était question à un moment de sa préservation. Qu'en est-il aujourd'hui oui, maintenant, c'est des perspectives. Hein. Je crois qu'on peut bel et bien euh, construire le garou à son emplacement d'avant. Puisque si on prend euh, l'entrée de Birni à partir du CS Barma Mustafa, euh, il y a encore les ruines du Garou. Là, en tout cas, on a des architectes qui peuvent construire euh, le modèle de Garou grandeur nature avec les dimensions que je viens d'évoquer. on pourra le faire et faire la porte d'entrée, une seule porte, pour laisser un modèle pour les générations euh, futures et même présentes. Hmm. Euh, c'est quelque chose, c'est un édifice qu'on pourra. On a les architectes, on a encore la matière. Le matériau existe, on a le banco qu'on pourra, et puis mettre au moins d'autres matériaux pour rendre consolider donc cet édifice-là. C'est faisable. Et qu'est-ce qui bloque tout comme à... Euh, bon, ça, c'est des idées que nous sommes en train d'émettre, mettre, euh, pensant que euh, pourra un jour voir ce garou-là dans ses dimensions premières. Nous, c'est à titre indicatif que nous allons faire ça au niveau du CS Barma Mustafa, ça fait une entrée. L'autre entrée, on pourra encore faire ça du côté de l'arène. À l'entrée du Berni, il y a encore les ruines de Garou qui existent présentement. Ça fait des monticules mais on peut identifier, repérer son emplacement euh, euh, d'avant et puis euh, ériger l'édifice, c'est faisable. beaucoup de pays sont en train de faire pour garder au moins l'histoire. On ne va pas tout détruire et rester inactif, non, on doit réagir on doit réagir. Justement, vous êtes dans un projet d'inscription du quartier Berni dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et vous comptez beaucoup sur le Garou. Alors, euh, quel, en quel sens vous, pensez que ce, mur d'enceinte peut vous aider euh, dans ce projet-là Oui, merci. Alors, ça, c'est des tractations que nous sommes en train de faire présentement pour que euh, Berni, la ville de Zender, puisse être... Euh, inscrite au patrimoine de, de l'humanité, comme Agadez en 2012. donc là, les mêmes tractations sont en train de se faire. Et ça, ce n'est même pas le Garou. En dehors du Garou, il y a euh, le sultanat du Damagaram aussi fait partie. C'est toute cette emprise, c'est l'emprise du sultanat, plus euh, quelques maisons, toutes les maisons qui se trouvent dans l'emprise du sultanat, l'ancienne mosquée, elle est là, on peut euh, rebâtir, réhabiliter ces infrastructures-là. On a la place des esclaves. Vous voyez, il y a déjà un monument qui est là. On peut quand même rénover, on peut euh, réhabiliter cet espace-là. Nous avons la maison de Henrich Bart À son emplacement actuel, il y a une plaque qui identifie euh, le passage de Barth et là où il a eu à séjourner à Zender. Vous voyez, tout ça, on pourra retaper ça sans compter les autres maisons qui se trouvent dans l'emprise du sultanat, euh, habitées par euh, les notables de la cour du sultan. Vous voyez, il y a euh, beaucoup de maisons qui ont été réhabilitées, dont les façades ont été réfectionnées et qui reflètent l'architecture même du Damagran, l'architecture Hausa. ces maisons-là sont visibles présentement. Et vous voyez, le palais du sultan est en train d'être rénové avec au moins euh, encore une porte d'entrée. Donc c'est déjà un investissement important qu'il faut saluer. Ça veut dire que l'idée y est. On commence déjà à réaliser tout doucement ce que euh, euh, l'histoire a laissé. Alors, le public et le chercheur venaient visiter ce garou-là. t il toujours l'objet de cet engouement-là Oui. Bon, présentement, les... on a des visiteurs. Il y en a qui commencent déjà au niveau du sultanat. Le sultanat, c'est un musée, puisque c'est le sultan qui représente le dépositaire de tout ce qu'on a comme patrimoine culturel euh, de la région. Il y a toujours la mm. trace du Garou aujourd'hui à, Berni. À, Berni, oui, il y a les ruines du Garou. Il y a les ruines du Garou. On pourra voir les monticules euh, de, terre euh, qui, montrent là où le Garou a été construit. Et maintenant, euh, c'est le garou effondré. C'est les ruines, il n'y a plus rien. On a juste les monticules qu'on voit. Est-ce que ces ruines attirent, toujours la, curiosité des, visiteurs Oui, un peu. Nous, pendant les visites, on montre, on rentre dans le CS Mustapha pour leur montrer comment le rempart euh, et sa dimension. Et on voit à peu près. Heureusement que ça n'a pas été nivelé. le rempart, c'est visible présentement. Vous passez au niveau du CS Barma Mustapha, jusqu'à la cour d'appel, ça range la cour d'appel et ça va vers le, Samfil. Il y a toujours euh, les ruines, les dunes, une sorte de dunes. Vous allez penser que c'est des dunes, non, c'est les ruines de Garou. et au niveau de Garim aussi, on voit un peu, mais maintenant, compte tenu de l'urbanisation, la forte urbanisation a fait que bon, les riverains ont euh, tout détruit, pratiquement. Tout est nivelé. Parce que les monticules, là, les gens pensent que bon, il faut profiter pour rembler leur maison. Et c'est ça. C'est cette agression-là qui a fait que bon, on n'a plus rien. Mais euh, on a les ruines présentement au niveau du CS Barma Mustafa, qui passe un peu, je disais, dans, dans le tribunal de Zender, un peu derrière. Et puis on a ça pour montrer aux visiteurs l'emplacement du musée à l'époque. Alors, est-ce qu'il fait l'objet aujourd'hui des études scientifiques, euh, d'historiens Absolument, parce que euh, on a des, à l'université de Zender, on a des étudiants qui viennent euh, traiter des sujets, des thématiques relatives au patrimoine culturel, hmm. ceux qui font aménagement du territoire. Donc, la section aménagement du territoire nous envoie des stagiaires ici que nous encadrons sur le patrimoine culturel de la région. Hmm. Il y a aussi ceux de euh, de Tawa qui viennent euh, la section euh, tourisme au niveau de l'université Tawa. Ils viennent en visite ici et nous les entretenons sur ce monument-là et beaucoup d'autres édifices sur l'histoire du Damagram. À mmh. un moment, je savais qu'il y avait des guides au niveau du quartier Birni qui font visiter les ruines du Garou. Est-ce que ces guides existent Oui, le relève du sultanat. C'est au niveau du sultanat. Présentement, ils sont là. Parce que juste, bon, euh, ils viennent, ils demandent la visite, et il y a des guides à l'intérieur du sultanat qui leur font faire visiter euh, le bâtiment euh, du sultanat. Pensez-vous que le sultanat a laissé tomber, entre guillemets, et le garou aujourd'hui Bon, pas le sultanat, voyez, le sultan est en train de faire beaucoup d'efforts, je vous dis. Avec ses propres ressources, il parvient à renouveler euh, cet édifice-là, qui relève même du patrimoine culturel national. C'est un bien national, euh, le sultanat, tout comme beaucoup de palais des chefs traditionnels. voyez, ça, ce sont eux les gardiens, je dis, des traditions, du patrimoine culturel. Et ce sont eux qui sont en train de promouvoir ça. Donc vraiment, c'est, euh, on n'a pas pu sauver le garou dans son état, dans l'état où il était. On pouvait le faire. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cette volonté de le construire. Mais j'ai dit que c'est faisable maintenant à ce qu'on le fasse là où je vous ai indiqué l'emplacement n'est pas perdu et c'est faisable. On a des architectes, on a des techniciens, on a aussi le matériau qu'il faut. Je crois que c'est faisable. Avec la volonté, on pourra parvenir à le faire. S'il était par exemple question de le protéger, comment vous allez vous y prendre bon, euh, euh, le protéger. on le peut protéger. oui, bien sûr, ben ça, ce serait difficile. Parce que le déguerpissement euh, des riverains, ça va poser problème. C'est ça, c'est de là qu'on devrait penser. Hein. On ne devrait même pas construire des, des, habitations aux alentours de choses, du rempart pour garder au moins un peu euh, l'histoire. Mais j'ai dit que maintenant, c'est dommage, tout est morcelé. Il y a beaucoup d'habitations tout autour. Mais pourquoi hein? avez-vous hein? laissé faire Non, mais on n'a pas laissé faire. Mais <laughs> vous voyez, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix, on n'avait pas cette emprise là-dessus. Depuis longtemps, vous voyez, ce n'est pas tout de suite maintenant qu'il faut agir. C'est trop tard maintenant, trop tard. Je vous dis, il y a les eaux de pluie, il y a les riverains, donc euh, c'est difficile. Il y a le vent. Euh, les parties essentielles sont, euh, euh, je dis, je parle de ruines, je parle de ruines. Ouais. Si nous, on aimait l'idée, mais si on avait le moyen, pourquoi pas Même maintenant, si la volonté y est, on a des partenaires qui peuvent venir aider hein, à, à, réhabiliter le garou, je disais, dans sa grandeur nature. C'est clair. Oui, on voit beaucoup de pays en train de faire. Même au Niger, on a fait beaucoup d'efforts. On a construit, juste après l'indépendance, le musée national du Niamey. Hein, il y a eu des musées régionaux. Tout ça, là, c'est l'idée. voyez, ensuite est intervenue la réhabilitation euh, de notre musée aussi. voyez, ça, c'est des efforts qui sont en train de se faire. Avez-vous hein? aujourd'hui des partenaires qui seraient intéressés dans la protection ou la réhabilitation de ces garous-là Ah oui, les partenaires ne manquent pas. Nous, nos premiers partenaires, c'est qui C'est d'abord euh, une volonté locale. Vous voyez hein? euh, Le conseil régional, euh, le gouvernorat, la mairie centrale, tout ça. Là. Il y a d'autres partenaires tels que les opérateurs économiques. On a aussi des sociétés de la place qui peuvent appuyer la réalisation de ces œuvres. Donc il suffit quand même qu'il y ait une volonté euh, au plan local. On a la SORAS qui pourra intervenir, tout comme les compagnies de voyage, les, compagnies, les opérateurs de cellulaire, tout ça là. Euh, ils peuvent. Pensez-vous que les riverains peuvent adhérer à un projet de sa euh, réhabilitation aujourd'hui Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le restant là, on pourra sauver ce qui reste Hein, avec la collaboration des riverains. Euh, mais il faut quand même qu'ils soient suffisamment sensibilisés pour qu'ils ne touchent plus à ceux qui restent là. Voyez Mais c'est difficile d'y veiller. Hein. On ne sait pas à quel moment ils viennent ranger. Euh, c'est pendant la nuit, c'est, euh, voilà, c'est difficile. Donc il faut responsabiliser les riverains il y a, un manque de sensibilisation. Absolument, il faut les sensibiliser, il euh, faut les conscientiser, parce que c'est un patrimoine national hein, qui est en train, on est insensible et on est en train de voir disparaître l'histoire sous nos yeux. Ça fait mal. Hein, ça. Alors, quelles sont aujourd'hui vos perspectives d'avenir, sur, euh, notamment sur le Garou aujourd'hui Oui, c'est ce que je disais. Mhm. On pourrait appeler bien le, le réhabiliter avec la volonté politique, on pourra le faire. Vous pouvez maintenant reprendre le mur avec ses dimensions. On pourra le faire. Ça, c'est bien, c'est faisable. Je vous ai parlé comme perspective de la réhabilitation euh, du pavillon de, de collecte, là où nous sommes présentement. Vous avez tout à l'heure parlé tantôt de sept, euh, huit portes mhm. et, sur lesquelles euh, huit portes d'accès au quartier Birni. Aujourd'hui, euh, sept. n'est-ce pas Aujourd'hui, s'il s'agissait par exemple de reprendre ces portes-là, comme c'était fait par exemple au niveau de Cano, est-ce que vous, pouvez, vous pourrez par exemple chercher ces partenaires qui vont vous appuyer à reprendre ces portes parce que ce sont des patrimoines, c'est un truc historique Oui, oui, oui c'est faisable. C'est faisable. Une fois que l'inscription euh, interviendra, l'inscription euh, des Indiens au patrimoine de l'humanité, ce serait faisable parce qu'il y aura des experts qui vont venir sur les sites, identifier les lieux. Et c'est faisable. Et sans ça, c'est pas possible. Euh, non, en amont, on devrait le faire. En amont, on pourra voir du passage quelles sont les habitations qui se trouvent dans l'emplacement, par exemple, du rempart. Aujourd'hui, vous n'avez pas concrètement, apparemment, un projet de sa réhabilitation Non, on n'en a pas. Parce que c'est un truc qui va demander beaucoup d'argent, beaucoup de recherche. Euh, et puis, il faut des experts en la matière. Il faut associer au moins euh, euh, plusieurs compétences pour y penser. Et ça, vous voyez, nous, nous avons les idées. Et c'est concrétisé là maintenant. Mais vous, vous êtes le conservateur de ce patrimoine physique. Alors, en tant que conservateur, euh, euh, vous ne pourrez pas, par exemple, chercher des partenaires qui peuvent vous aider à le faire Absolument, c'est ça la tractation. Les partenaires, en inscrivant euh, l'ancienne ville Bernie hmm. au patrimoine, donc on aura des partenaires qui vont venir, on aura des petits partenaires techniques et financiers qui vont venir appuyer ce processus comme ce fut le cas à Agadez présentement. Agadez, euh, c'est un bien maintenant de l'humanité. il y a un financement euh, qui est garanti pour que la ville, la ville d'Agadez garde euh, son ancienneté, son authenticité. De même que les habitations, on ne change pas les modèles d'habitation, vous voyez, ça reste authentique. Ah, vous, voyez, vous, avez été voir les modèles de vestibule à Gadez. Ce serait la même chose à Zender. On va garder l'architecture idéale et puis rénover quelques-unes. Aujourd'hui, si rien n'est fait, dans quel temps pensez-vous que les ruines disparaîtront complètement Oui, euh, parce que je vous dis, ça dépend euh, des intempéries avec de très fortes euh, pluviométries. Donc, cas des inondations, par exemple, vous voyez, ça range. Donc, euh, c'est en terre. Hein. Vous estimez combien de temps, par exemple Ah oui, maintenant, sa bah, disparition complète. je vous dis, euh, bon, deux, deux ans. Parce qu'avec les fortes précipitations, même maintenant, rien ne va rester. Hein. Rien ne va rester avec de fortes précipitations. Donc, euh, on ne pourra plus sauver ce qui reste. C'est ça. Aujourd'hui, le garou a plus de 100 ans et ça ne vous fait rien de le laisser comme ça partir. Oui, vous voyez, ça, c'est pas de de gaieté de corps qu'on voit, de cœur qu'on voit euh, euh, euh, disparaître cet édifice. Parce qu'on a vu ailleurs comment on, mène le combat pour se sauvegarder l'essentiel à, sauver. Vous hein, même, au Niger, je dis que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, mais il faut une volonté politique au plan local, plan régional, au plan national, au plan international. Les barres ne manquent pas. Vous voyez C'est ça. Dernier mot, pardon, par rapport à, tout ce qui est réhabilitation du Garou, qu'est-ce que vous êtes maintenant en train d'envisager après cette, interview-là Bon, vraiment, euh, je ne ferai que remercier la presse pour euh, tout ce que vous faites comme effort pour que ce cri de cœur que nous manifestons se répercute et qu'ils soient entendus par les décideurs. Voilà notre appel. C'est ça que j'ai à dire. que ça se poursuive. On a la réhabilitation euh, euh, du pavillon de collecte, que ça se réalise euh, pour qu'on renoue avec les visiteurs. Je vous ai dit que on a une collection d'objets hein, qui pourront faire euh, euh, comment ça s'appelle là, euh, qui pourront permettre au public de voir une nouveauté. On a une collection d'objets d'art. On a eu le financement l'année dernière. Et ces objets sont là dans un magasin, s'il vous plaît. Hein. Une collection importante d'objets qui vont permettre au public, justement, hein, de voir une nouveauté. Vraiment. C'est ça. D'accord. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Merci, je vous en prie.